Justement parce que depuis le début, on a compris que euh, la réponse par rapport à cette euh, pandémie ne serait être que euh, communautaire. Et oh, il n'y a pas meilleur OCB aussi représentatif que les ASC dans ce pays-là. Dans chaque quartier ou chaque village, on a de fortes chances de trouver une ASC. On a mis en exercice ces organisations, notamment à travers l'ODECAV, toutes les organisations sportives et culturelles se sont mobilisées et ont, créé en leur sein des brigades. Ce sont des jeunes qui ont été dans les quartiers euh, pour, accompagner les équipes. Mais présentement, on a essayé de capitaliser ces énergies juvéniles pour les mettre à profit contre cette Covid-19. Et euh, lors de la rentrée, l'autorité nous a saisis pour l'accompagner par rapport aux préparations de la rentrée du 2 pour demain. Et ces organisations-là, ces brigades-là se sont affairées, on leur a donné la consigne de nettoyer les écoles qu'elles abritent. Euh, et présentement, il y a 413 écoles qui ont été désinfectées et nettoyées au concert avec les autorités des services d'hygiène et que dans tout le département, toutes les écoles ont été désinfectées et nettoyées. Présentement aussi, euh, ces brigades-là ne vont pas s'arrêter là parce qu'il il va y falloir un dispositif d'accueil et d'accompagnement des élèves, mais aussi de l'administration scolaire. Le Nevetan a toujours apporté une participation citoyenne à ce qui se fait euh, au niveau national. Donc, quand il s'agissait euh, de la réponse par rapport à la pandémie, au niveau de l'hôpital de Rufusque aussi, on a su autour du préfet monter au niveau de chaque ASC une brigade, euh, les dix volontaires des ASC. Et que leur mission consistait dans un premier temps à sensibiliser à l'échelle du quartier, à veiller sur le respect des mesures barrières. Mais tout récemment, quand il s'agissait de la reprise des cours, nous nous sommes dit aussi que le Naveta ne peut pas être en reste et que comme l'école appartient à la communauté, on a instruit à chacune de nos ASC euh, au niveau de son quartier par rapport à l'école polarisée d'aller là-bas et de faire les activités de nettoiement. Ici, au niveau de Rufisque, on peut se dire que les ASC sont impliqués et sont engagés dans la réponse. Bon, c'est vrai, au niveau de la région de Dakar, certains disent que c'est la pandémie. Euh, Dakar est l'épicentre. Bon, au niveau de Rufisque, nous avons les meilleurs résultats, mais comparé à d'autres départements aussi, il y a du pain sur la planche. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour lancer un appel aux ASC, de leur dire que le combat ne fait que commencer. Après la reprise des cours, après l'accompagnement des enfants, il faut rester dans les quartiers, veiller à ce que les gens respectent les mesures barrières, surtout le port de masque. Que, qui est abandonné de plus en plus au niveau euh, de nos quartiers. Il y avait tellement de poussière que vraiment même dans, le, mon bureau là, on ne pouvait même pas entrer dans le bureau à cause de la poussière. De même que les salles de classe. ça posait vraiment un casser. Hein. C'était impossible de, travailler là-dessus. Ils sont venus volontairement et bénévolement hein, parce qu'on a tenu une réunion avec eux au niveau de la mairie. Et les ASC, ils se sont montrés bénévolement. bénévolement ils ont fait le travail. Bon, durant ces deux mois, presque, nous avons commencé par inauguré la brigade, nous sommes allés au niveau des, mosquées, des deux grandes mosquées du quartier. On a fait des dons de masques, de gel hydroalcoolique et de matériel, des savons. Dans ce sens, nous sommes allés aussi au niveau des écoles. Concernant la reprise des, classes, nous avons nettoyé l'école Camp le Cité Radio et Bassirouval, pour permettre aux élèves de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, bien travailler. Puisque nous avons commencé le travail, il faut d'abord le terminer. Parce que travailler sans avoir un suivi dans ce travail, il n'y aura aucun sens. Donc il faut continuer à travailler dans ce sens et leur permettre d'avoir une envie d'étudier et dans de bonnes conditions et dans la sérénité. La particularité qu'on a, on a des, vraiment des bonnes volontés qui sont là, qui nous ont très tôt qui, sont venus vraiment nous accompagner sur ce, fléau-là. Donc on a des jeunes très engagés. La jeune féminine aussi est venue vraiment nous accompagner par rapport à tout. Donc vraiment que, mais par rapport à ça aussi, nous toujours nous lançons un appel vraiment à toute la population de Rufisque, particulièrement euh, à la population de santé extension, de venir se joindre à nous pour vraiment lutter contre vraiment ce fléau-là qui est vraiment le Covid-19. mbas mi mag ñi la gën aay ci la gën aay man damay wax toujours su may génn sama kër pour man damay wax man maa yor feebar bi il faut que ma protéger wu pour que bañ ko wàll yow ma may taseet yow yi ngay taseeg man protéger wu pour bañ ma wàll soo ko defee rek mun nga rëcc mais nag am na ñoo xam ne dañuy dëgër bopp mu ñu takk masque du raxasu soo leen waxee dañuy bañ fi rek ñi taxaw di léeg nga wax ni kay rax mu rombal dem yoram gëna ñaax ñi ñi rek gor ñi gor góorgóorlu ku leen a sangul da sa tar la bëgg sha allah ñuy liggéey nak liggéey bo xamante vraiment euh kilifa yi si koñ bi and nañ ci délégué and na ci les sages and nañ ci coordinateur and na ci mais même l'imam encore and na tamit ci seen liggéey ma sha allah kon daal ñom am nañu ngërëmu kilifa yi sha allah ci koñ bi ñu ngi ci japp sa su nekk parce que ñun tamit gis nga comme ni ñu nekké ni bis mu nekk non lañuy nekk di wër brigade yi mais en même temps di xol tamit euh, lepp lo